Son éducation est le plus grand des bienfaits. Aimons ce qui nous la donne. Et l'éducation des enfants vaut plus qu'un tas d'argent. Créé en 2016, le groupe scolaire Serigne Saliumbake est le premier collège français dans la ville sainte de Touba. Oui, premier à son genre, mis en œuvre par l'ancien international footballeur sénégalais Amdi Moustapha Fay. Alors, amis et internautes, bienvenue sur ANTV pour votre premier numéro Zoom ⁇ euh, l'école a été créée en 2016 par M. Amdi Mustafa Faye, qui veut les difficultés qu'ont des élèves de Touba pour accéder à des cours au même titre que les élèves des villes environ environ, vous voyez, a décidé de créer une école dans Touba à caractère purement social pour accompagner les parents. Vous savez, avant 2016, dans les années 2014-2015, il y a 5000 élèves qui quittent Touba chaque jour pour se rendre à Mbaké et aux environs. D'abord, les parents n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de moyens. Et ils ont encore à, déplacer leurs enfants pour aller jusqu'à Mbaké. Ça posait un problème. Donc Amdi a dit, euh, je vais créer une école qui puissent être proches d'eux, leur permettre de réduire les dépenses et par la suite euh, créer une différence dans la formation. L'une des particularités du collège réside dans son concept à savoir l'entrepreneuriat. Parce qu'en dehors de l'enseignement académique, le groupe scolaire Serine Salim livre aux élèves une formation professionnelle. C'est un projet le projet prend en compte non seulement le, le moyen, mais également le lycée. Euh, au départ, nous avons pensé à une formation classique, tout simplement, c'est-à-dire comme les autres collèges, faire des formations, des cours en maths, SVT, etc. Mais on s'est dit quelle est la différence entre les autres écoles et nous si nous faisons la même chose. Je ne vous apprends rien, ils sont plus de 5 000 ou 10 000 étudiants à l'université qui finissent leur formation, mais qui ont du mal à trouver un emploi. Tout simplement parce que notre système éducatif pose un problème de pratique. Et nous, on s'est dit que nous allons insérer dans nos programmes la formation professionnelle. C'est-à-dire un élève qui a son, son certificat et qui entre ici au collège commence déjà par apprendre un métier qualifiant, lui permettant lorsque euh, il a ses diplômes ou bien quand il sort de l'université, qu'il ait une facilité d'intégration dans la vie sociale. Donc la formation que nous faisons ici concerne la formation en, produits cosmétiques. On a d'abord commencé avec les produits cosmétiques, euh, les savons, les parfums, euh, les bougies, les pommades. L'année qui a suivi, on a ajouté l'électricité. Ça veut dire quoi Tous nos élèves qui ont fait la sixième ici, à la fin de l'année, ont réussi à produire des savons pendant les vacances. Ils ont vendu. Ils sont venus s'inscrire avec l'argent. Avec une superficie de 120 km, Touba est la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, après la capitale dakaroise. Avec une économie forte, et des quatre moins issus de la ville pour la gestion des affaires. Le promoteur et son équipe souhaitent que les fils de Touba formés dans la ville soient serviables dans les grandes entreprises. Nous sommes la seule école qui fait le système français. Euh, vous savez, ce n'est pas évident, mais avec la volonté, euh, on arrive toujours à concrétiser ses rêves. ce n'est pas facile de créer une école française purement à Touba. C'est vrai que nous avons des matières comme l'arabe également qui sont qui est, voilà, qui ici. Vous savez, la réalité est là. Nous avons des hôpitaux, nous avons la brigade, nous avons les, les banques qui sont ici, mais ceux-là sont allés à l'école française. Ils n'ont pas fait que l'école arabe. Ils sont allés à l'école française. Et ils quittent d'autres villes pour venir nous servir à Touba. C'est là qu'on nous sommes dit, mais pourquoi ne pas former des gens de Touba pour qu'eux-mêmes puissent être serviables dans ces services-là un jour Donc, créer d'abord cette différence-là. Et ça, c'est ce que nous avons expliqué aux autorités de Touba, d'abord aux autorités religieuses de Touba, qui nous ont compris. Et M. Amdi leur a expliqué l'intérêt de, ce type de formation. Vous comprenez un peu Donc ils ont accepté qu'on puisse créer l'école. C'est un peu dans euh, cette condition-là que l'école a été créée, puis les démarches, on a engagé les démarches au niveau de l'inspection euh, de, de l'enseignement de la formation qui a accepté euh, notre dossier et en ce moment, nous sommes une école reconnue par l'État. L'art de la réussite consiste à savoir entouré des meilleurs, disait Kennedy. Oui, Bamba, un corps professoral compétent et de qualité pour un enseignement meilleur. Ce qui fait que l'école soit la première dans le département de Mbaké, avec un taux de réussite de plus de 70%, nous révèle le principal et les élèves. Les enfants, une fois le certificat obtenu, on les oriente vers Mbaké. Mbaké est à 10 km d'ici. Ou bien on les envoie à Belel. Belel est à 18 km d'ici. Ou bien on les envoie à Taïf. Taïf est à 20 km d'ici. Ou bien on les envoie à Darumousti. Darumousti est à 24 km d'ici. Et ça pose un problème. Donc il faut créer une école qui récupère tous ces élèves-là dans Touba et les forme de la même façon qu'on forme les autres qui sont dans le système classique Ambaké et dans les écoles où on les envoie. Au niveau du corps professoral, nous avons recruté, et ça c'est une décision qui était difficile, mais il fallait le faire. On a recruté des professeurs qui ont fait une formation dans l'enseignement, qui ont déjà 10 ans d'expérience, 15 ans. Celui-là qui a moins d'expérience a au moins 6 ans d'expérience. Et la plupart, ils sont dans les collèges publics qui nous entoure, Vous voyez un peu. Et dans le recrutement également, parce que l'école, c'est ça, le recrutement. Euh, comme le promoteur nous a déjà fixé l'objectif que l'école fait du social, on n'est pas là pour chercher de l'argent, on ne prend pas n'importe qui. Il y a des élèves, par exemple, qui viennent et qui ont fait la quatrième ailleurs. On les retourne en sixième. Quand ils viennent ici, on les teste. On voit que le niveau n'est pas bon. Donc, vous voyez l'ensemble de ces éléments-là avec une administration bien organisée, des professeurs expérimentés, le système de recrutement pointu, l'ensemble met euh, l'accent sur la qualité. C'est ainsi que pour nos premiers résultats au BFM de l'année passée, en 2018, on a été, et pour la première fois dans l'histoire de Touba, un centre d'examen a été créé dans Touba. Et sur 244 candidats, à ce centre-là, on a été premier. Mais pas seulement, parce que nous avons obtenu un taux de 84% qui nous place en deuxième position au niveau euh, de la région de Djoubel et premier en termes de taux au niveau du département de Mbaké. Donc voilà les raisons un peu qui justifient euh, ces résultats-là. Donc je, je rappelle, un, la qualité des professeurs que nous avons engagés, qui sont des gens très expérimentés, deux, l'organisation de notre administration. Et trois, l'accent a été mis sur les élèves, la qualité des élèves, et non sur le nombre. Et la SEC, je suis en classe de seconde. Je suis en classe de seconde. Mbacké. L'école est école excellente, franchement. il y fi ay études yu baax a baax élèves yu jaar ñi professeur tamit ñu ngi bay seen waar en plus école bi nekk na école bu jege élèves yi suru ba pare am ay amu ay yenn difficultés yi amut amuti grève yooyu noonu franchement nañ fi def benn formation ay formation cosmétique defar ay savon yooyu noonu ba pare tamit doon nañ fi def formation d'entre d'entreprise ma fabrique formation d'entreprise mais comment comment gérer un comment faire pour avoir une entreprise comment gérer une entreprise nous tamit donné nañ avec les savants quoi la classe quatrième la ronde, mais même premier semestre après ñu cinq élèves nous avons nous ñu troisième après avec l'aide des professeurs ak seen rigueur élèves troisième dem dem examen am je suis en classe de quatrième au groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké. différence école bi ak école bi mooy ndax am école yoo xam ne pour ñu gagner fa première du centre dafa fait. te école bi comme que am première du centre qui maanaam ki jël première du centre bi mu nekk mu génn école avec une moyenne euh, euh, une pourcentage 84 euh, pour école loolu pour mu am ci école dafa jafe maa ngi pour parents qualité. Amis internautes, nous voilà au terme de cette émission Zoom Plus merci de nous avoir suivis. Et oui, vous pouvez continuer de nous suivre sur YouTube en faisant juste un clic sur la cloche, s'abonner de partager et bien sûr de liker.